Maintenant, si les 14 députés vont partir, vu les tendances, ce qui s'est passé, la, moitié de Yewi, ou bien beaucoup dans Yewi et leurs militants et les sympathisants regardent Tahoe comme une entité de traîtrise vis-à-vis -vis de Yewi, est-ce qu'ils auront les mêmes chances pour avoir 14 députés en septembre prochain que ce n'est pas passé parce que bloc bi def passé bloc bobu dañ et si taxaw part seul à des législatives avec Khalifa qui ne sera plus président s'il ne gagne pas avec Bartou qui perd et son poste de député qui est, je sais pas et, sa mairie avec liñ comme moyen pour exécuter voilà daraja wala dayo mais ce sont pas ces postes de mairie yi nga xamantene taxaw gagné au niveau national et en ce moment là le parti socialiste alors la fa ils leur fermeront la porte hmm. Khalifa ne sera plus euh, un plat du jour ah non il sera ce repas froid boo xamante dañuy xool kañ lañ koy avec la durée ah oui dootul dugg ci cin li dootul ci micro-ondes bi nuñ koy sànnee les parce que qu'est-ce qu'il gagne il ne sera plus présidentiable ces textes ne seront pas changés parce que la population est assez consciente Quand loolu kon loolu kon su boba, mais loolu sacrilège la ci Barthélemy ak Khalifa ak ñi and ak ñom et ils le savent maintenant loolu ça mène à quoi mais ça mène à la compro euh, au compromis daw wuti wuti link daw waxtani daw jaay bakan wala jaay ngor au risque de wor kuy ko yaakaar ko koo yaakaarul fi di sans hmm. gagne sans perte la ci commune carte loolu moo fi parce que condamnation condamnation bi bu de nenañ nañ dañ ko confirmer man dana bari morom yo xamantene ne kenn du meuna a dugal seen les articles 61 dindinako de la constitution ci assemblée ba bañu meun ko fa jëlee té sax ci conditionnalité <laughs> ministre bi demandé ko modé demb euh, il est très malin aussi man bokku na ci lima observer observé taggé Aïssata Tall Sall demb ci yaru hmm. bax rafet doxin. ancien avocat. waaw en première instance. Hmm. pour koy n'est c'est pas anodin. Hmm. je pense que il a juste répété c'est mon sentiment. peut-être je dis peut-être il a juste répété peut-être un entretien que ça soit physique ou téléphonique qu'il a eu peut-être avec Aïssata Tal Sal. je dis bien peut-être. Hmm parce que le cerveau ne connaît pas la négation am essence aisance boo xamante ne wax dara c'est parce que da ko c'est une répétition. waaw. Mhm. du genre waxon nako fe dama koy waxat en public. geureumuma la rek ci ruq bi dama lay geureum ci penc mi. ça mhm. peut être cela. parce que damay bañ mu yónnee ma citation ne ma ma waxal sangam mhm. moo je suis très. Euh, man su wax mom dama koy nat bu baakha baax parce que rew mi nek waxe fi dafa xaw jafé donc lolu moy ce qu'on appelle le cataclysme bi meuna am ci cour suprême bi

le 22 chiffre là j'appelle la superstition le 22 l'affaire Béchéon. c'était le 22 décembre. Boba, ah bon ah oui Boba, waa kër Ablaye Wade un ña nga Méridien ben événement. Hmm. affaire bi à sacré c'était ce 22 là Bart a été arrêté la veille de Noël. Hmm. en 2011. garde à vue et euh, garde à vue garde à vue et mandat de mandaté de dépôt le 28. Fini ou encore le 22 chiffre pour chiffre donc est-ce que ça va être malédiction ou pas on verra en tout cas le malheur souvent s'il frôle c'est pour revenir piquer et y rester. Mmh.